dans les locaux de la Teranga Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Le coordinateur départemental de Pastef a officiellement lancé l'investiture de leur candidat Ousmane Sonko à la présidentielle 2024 ce samedi 28 janvier 2023 au niveau de leur siège. Les patriotes du département de Congolais ont fait face à la presse ce vendredi 27 janvier 2022 pour dire non au procès de leur candidat Ousmane Sonko suite à son dossier l'opposant à Adissar. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a fait face à la presse locale de Kaolak pour apporter des éclairages sur l'affaire du train express régional. Lutte contre la rupture de médicaments dans la commune de Sinchumalem, un important lot de médicaments d'une valeur de 2 600 000 francs CFA est partagé aux deux postes affiliés à la commune. Les détails dans ce journal. L'actualité internationale à la page sportive mettront en terme à cette édition. C'est la fin des titres. Reste avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants juróom-ñetti waxtu moo jot waxtu wi ñeel xibaaru mbarax yi li gën a fës ñu doore ko ak ponk yi muy fi ci diwaanu Thiès coordination départementale bu Pastef Thiès lancé nañu officiellement candidature bu Ousmane Sonko ci présidentiel 2024 bi ni kii gaaw bi ñu génn lañ ko amaloon ñu wéyal ak patriote du département bu Koungheul ñoom i jàkkaarloo woon nañu ak way taskatu xibaar yi wax ci procès candidat bi di Ousmane Sonko ak dossier mag Adissa Seydou Coulibaly lañ ci ànd ci biir xibaar yi

ñaareelu pàccu xibaar yi day daal di ñeel xibaaru biiti réew ñu ànd si ak Oumoul Khayri Cissé xibaaru tàggat yaram yi ñu ànd ak mbay Papa ji mbokk yi loolee mooy li gën a fës su ngeen taaxiloo as tuut ñu faram fàccee leen. de Pastef a officiellement lancé l'investiture de leur candidat Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024 ce samedi 28 janvier 2023 euh, au niveau de leur siège. Par cette occasion, le député maire Biram Souley Diop a déclaré l'opération Wourndombo pour l'obtention de 2 millions de primo-votants. Plus de détails avec Abdoulaye Ndiaye. Les membres du parti politique Pasteur de Thiès restent toujours déterminés dans leur combat de soutien contre ce qu'ils définissent comme étant une tentative de forfaiture à l'endroit de leur leader politique Ousmane Sonko. Sur le dossier qui lui oppose à l'ex-masseuse de Sud Boti, la demoiselle Adissar, qui a porté plainte contre Ousmane Sonko pour viol répétitif et menace de mort. Et à un an des élections présidentielles, ce dossier a atterri à la chambre criminelle et suscite une problématique au sein des membres du parti politique Pasteur, qui ont déjà choisi Sonko comme candidat pour les élections présidentielles 2024. On doit se focaliser sur deux choses. On doit se focaliser sur deux choses. La première est que Macky ne doit pas être candidat. Et l'autre chose, c'est de tout faire pour que son coup soit candidat en 2024. Parce que ce n'est pas le débat nous détourner pas détourner de notre objectif. Cette histoire de Sweet Boti n'est qu'une diversion. Ils veulent imposer leur forfaiture. Refusons cela. Ousmane Sonko est notre seul espoir, notre seul candidat. Maintenant, l'heure est venue de s'engager pour cet ultime combat, qui est d'ailleurs inévitable. Il a l'ultime combat. ultime combat, Et on devait s'y préparer le parti PASTEF est un parti avec de nouveaux concepts pour les Sénégalais. simplement. mon message n'est pas long ça se résume en deux parties d'abord. Dans l'histoire du parti PASTEF, nous avons vu ce qui s'est passé dans les partis politiques classiques ont quasiment disparu. Tout ça grâce à l'existence de la coalition et du parti PASTEF avec un changement alternatif. Et tous les jeunes se sont édifiés à cela pour la souveraineté économique et aussi pour la souveraineté de nos ressources. Pour la souveraineté économique pour la souveraineté. Maintenant que nous sommes conscients de tout cela, nous décidons de dire non. de la jeunesse constitue le Sénégal de la population. Selon le coordonnateur départemental de PASSEF Thiès, le travail commence déjà avec l'opération Wurnombo. Ainsi, ici on aura toutes les périphéries de la région de Thiès pour obtenir les 2 millions de primo-votants. Nous, dans le département de, département Thiès, nous lançons aujourd'hui le projet Wurnombo ici à Thiès. Ça veut dire quoi Nous allons chercher dans les quartiers, dans les villages, dans les communes et dans le département. Tout ce qui est jeune, les non-inscrits, nous allons les recenser. Nous allons les encadrer, nous allons les aider à se déplacer et nous leur fournirons la carte nécessaire pour qu'en 2024, ils participent à la grande victoire qui ramènera Ousmane Sonko au Palais de la République. Au PASTEF département de Thiès, ce vendredi 28 janvier 2023, nous avons officiellement investi toutes les communes et les départements, le président Ousmane Sonko comme le candidat du PASTEF du département de Thiès pour les élections 2024. Ah, et à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, nous disons, dans le département de Thiès, nous avons un seul et unique candidat. Il est notre plan A jusqu'à Z, c'est notre plan, il s'appelle Ousmane Sonko. Rien d'autre. Voilà pourquoi nous choisissons d'être à côté de lui et nous l'imposerons comme candidat jusqu'à la victoire finale. Avec les partisans du département de la région de Thiès, présents lors de cette déclaration, la coordination départementale Pastef Thiès a officiellement lancé l'investiture de leur candidat Ousmane Sonko pour les présidentielles 2024 avec une détermination totale mbokk yi xibaaru mbarax ñu ak coordination départementale bu Pastef Thiès lancé nañu officiellement investiture candidat bu Ousmane Sonko ci 2024 Gao Yamou woon ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett lañ ko amaloon foofe ca seen makkaan ba ci noonu la député maire biram Souleye Diop déclaré waale lii di opération bi ñu tuddee wër nombo ngir amal ñaari million ci ay votants Abdoulaye Ndiaye Andal. membre parti politique Pastef yi ñoom ba tey ñu ngi dëgg seen bopp si jàppale bi ñuy jàppale seen leader politique bii di Ousmane Sonko si dossier Sweet Beauté bi nga xam ne Adji Sarr ñoo ko séeg li ko waraloon mooy Adji Sarr da koo tuumaloon viol répétitif ak menace de mort si jamono ji nga xam ni élection présidentielle benn at rek moo des ñu dëgmal ko dossier Sweet Beauté bi féetee fële nga xam ne moo di chambre criminelle loolu waral la ñoom ñi faree sa parti politique Pastef ari taxaw dëggu ngir la ñu investir si élection force lay nek candidat débat bi débat buñ débat massé na wuko débat débat parce que c'est pas le débat dañuy détourner de l'essentiel dañuy détourner de ce qui est important def y i lank len leen bañ Ousmane Sonko day nek candidat par la force. par force. li est am moy li naan l'ultime combat ñun ñëpp biñu engagé wu en 2014 wala 2015 wala 2016 ba 2022 ba même ñu ñëw dem xamone nañu ni ultime combat mënul et on devait s'y préparer té bu dee jotee ku dund doo gor. parti Pastef nekk parti bi nga xam ne tey dafa indi ay coppite yu bees ci système politique bi nga xam ne parti yu njëkk yéen moom la ñu indi woon. message day nekk message boo xam ne message bu gàtt lay nekk ci ñaari tënk tout simplement mooy historique parti Pastef la ñuy ñëwee historique bi ñu ñëpp gis nañ ni lu fi daan am ci wàllum politique ak wàllum Sénégal li fi daan nekk amatul par un parti politique bu ñëw tout nouveau et tout ñëw changé ko indi un politique. avec un changement alternatif jeunes, nous sommes ñu gis ci suñu bopp. nous wër ndombo li nous 2 millions de primo votants Ce ñuy laaj fii ci Nous Thiès dinañ ko quartier yi village communes département yi dox ak jël inscrire leen vote bu 17 h ñu dàq Macky salle ci palais plan pour plan plan de A à Z Ousmane songo au début Ousmane songo à la fin un seul et unique candidat contre vents et marées contre toutes les manipulations, on l'imposera comme candidat et, Inch'Allah, on gagnera. bu ñu c'est ci coordonnateur départemental Pasteur bu Thiès liggéey bi mu ngi doog a ba tax na ñoom ñële ngay lancé benn opération du peeku ndomba Manam département yi nekk ci raison de Thiès yëpp ngir mën am 2 millions de primo votants. membre parti politique Pasteur Fi, ñoom ba tey changement alternatif ñun sommes jeune ñu sommes ci suñu pour la souveraineté économique pour la souveraineté au niveau de nos ressources je n'y plus de 72 de la. Toujours en politique, les patriotes du département de Kungel ont fait face à la presse ce vendredi 27 janvier 2023 pour dire non au procès de leur candidat Ousmane Sonko suite à son dossier l'opposant à Adissar. Écoutons à ce propos Baba Karngaye, coordonnateur départemental au micro de Seydou Koulibaly. Je démissionne d'une justice qui a démissionné. C'est le propos du juge Dem, ancien magistrat du Sénégal. Comment peut-on donc se soumettre à une justice pareille Par nous en tout cas. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. C'est le titre du livre de Claude Butin, Juste destruction française à la retraite. Pourquoi devons-nous donc être l'exception du monde Chers compatriotes, nous voilà à un tournant décisif de notre démocratie. Le dossier Sonko Agissar qui s'est soldé par un complot politique ourdi, dont les preuves sont établies, et loin de connaître son épilogue. Le renvoi en procès du dossier par le droit des juges d'instruction à la chambre criminelle constitue l'énième élément du puzzle dont l'objectif est connu. Liquider un adversaire politique encombrant par la voie judiciaire, à la personne d'Ousmane Sonko ce que le peuple sénégalais n'acceptera pas. Le président Ousmane Sonko ne sera pas la prochaine victime dans la longue liste des sacrifiés du régime de Macky Sall. Malgré tous ses efforts consentis pour la manifestation de la vérité et sa bonne foi, les comploteurs ne semblent pas être intéressés par l'exécution de leur funeste plan. Mais c'est peine perdue. Le doyen des juges l'a envoyé en procès. Mais notre position est claire. Le président Ousmane Sonko ne doit pas aller au procès. Ousmane Sonko n'ira pas au procès.

contre Ousmane Sonko du ñu ko nangu du fi amee tey du fi amee suba di sàkku nag suñu leader Ousmane Sonko que procès boobu bu ma ko wuyu pour ñaari mbir Olof Njaay dafa wax ne ku ndëbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw ba fàtt tey ñëpp xam nañ ne Macky Sall moo taxaw wax ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam opposition ci Sénégal danga ko yemale ci ay kàddu loolu mu wax nag da koo gëm ndax ci lay xëy ci lay gont kon bu ñëwee ci procès ci docu ci dossier politique mu tëj ci Karim wàdd yàqal ko ay droit politique am tëj ci xalifa Sall yokkal ko ay droit yàqal ko ay droit politique kon bu jógee tey jëm ci Ousmane Sonko ñun peuple bi ñun ndaw ñi danañ taxaw bañ ne du fi am tey du fi am suba rawatina nag mu nekk dossier boo xamante ni complot politique bu ñëpp teg seen bët la ndax tey li nga xamante ni moo am mooy Pastef dafa indi lu bees ci ci ci plan ci politique gu Sénégal mooy politique ci xam-xam mooy politique ci njub mooy politique ci waxante dëgg waaye mooy politique ci gëm sa réew te bëgg sa réew loolu nag ñoom dañ ko manqué dañ ko raflé ndax liñ tàmmoon Sénégal yi mooy kàcc luubal yàq saytaane waaye tamit cultiver benn haine maanaam benn soxorante ak benn bañante biir Sénégal boo xam ne amul fi place tey amul fi place suba loolu nag li koy répondre lenn kese la mooy ñun Sénégal yëpp. ñu taxaw lank bañ na président man Sonko ñoko ko suñ suñu té limu laaj ci taxaway limu laaj ci jëf limu laaj ci wax dañ ko def inshallah bu au soir du 24 au soir de 2024 au mois de mars ñu mën ko fal du ko pale inshallah à la suite d'un article paru dans le journal Figaro portant sur, entre autres, euh, le regard sur les objectifs financiers du projet les nombreuses sorties d'hommes politiques sénégalais relatives au patrimoine du train express régional. Le ministre du Commerce, de la Consommation des Paiements a fait face à la presse locale de Kaolack pour apporter des éclairages et répondre à ce qu'il qualifie de fausses informations. Selon Abdou Karim Fofana, le terre appartient bel et bien au Sénégal. Également, le ministre rappelle que ce que l'État cherche à travers ce projet est une rentabilité économique et sociale. Il est au micro de nous l'écoutons. Un débat nourri sur la base d'un article publié par un quotidien français qui estimerait que le Sénégal euh, euh, n'est pas propriétaire euh, de son train express régional que dans l'exploitation, euh, le choix n'a pas été fait, le choix du partenaire n'a pas été fait de façon euh, optimale euh, et, des questions de rentabilité sur le terre. Je pense que ça, c'est un débat vieux de quelques années, depuis que cette grande initiative du président de la République a été lancée. On a souvent de la manipulation et de la désinformation sur un sujet aussi important. Ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, le Sénégal a fait le choix de la souveraineté en étant propriétaire de son train express régional. Quand je dis propriétaire, c'est propriétaire entièrement et exclusivement. Et pour aller dans le détail, le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares. Et euh, cette propriété a été matérialisée par la création de la CENTER, la Société de patrimoine du, train express régional de Dakar. La société CETER n'est qu'un prestataire de l'État du Sénégal parce que nous n'avons pas d'entreprise expérimentée en cette matière. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché une entreprise qui avait cette expérience. Nous lui avons confié l'exploitation et la maintenance pour les trois prochaines années. Donc en gros, c'est ce que je voulais expliquer euh, pour euh, peut-être... Euh, faire taire cette polémique inutile. Je pense que l'utilité du terre n'a plus à être démontrée. Tous les gens qui habitent dans la banlieue de Dakar l'utilisent. L'État du Sénégal a, euh, a fait le choix d'un tarif très bas. Parce que rendre rentable tout de suite le terre, c'est facile, c'est augmenter le prix. Vous augmentez le prix, il est rentable. Mais l'État du Sénégal a fait le choix d'avoir un transport public de masse, moderne, mais accessible aux populations gannaaw article bi ñu jëlee ci journal bi Le Figaro ñeel di retard objectif financier bu projet akit sorti homme politique sénégalais yi ci mbiru train express régional Terre ministre du commerce de la consommation et des PME jàkkaarloo na way taskatu xibaar yi foofee ca Kaolack wax ci li ñeel mbir Fofana ci micro gala Galassila ci rajo beeg ci télé réseaux sociaux nit ñi di wax wax ju bëri ci train express régional bi nga xam ne président Macky moom la fi andi ci at yu mujj yi mu doon train bu mucc ayib boo xam ne ñëpp gis nañ njëriñ bi ñëpp gis nañ population Sénégal yi ni ñu koy jëfandikoo mu jik leen lool. wax yi nag bëri lool am journal français bu xëy bind ne train express régional bi daanaka mën nañ jàpp ci wax yi boo ko dégloo daanaka daal Sénégal moomu ko wala dañ ñu cee nax wala yu demee noonu damay fàttali ne bu njëkk ba dañ doon wax ne li ñu ko jëndee dafa cher waaye léegi nee nañ moomatuñ ko. ñu koy wax nag faaw ñu wax ñu li ñu bëgg bu teyee ñu ne moomu ñu ko bu ëllëgee ñu ne li ñu ko jëndee dafa cher li ma leen bëggoon wax rek ne mooy train express régional bii ngeen gis état du Sénégal moom moom suuf siñ ko tabax état du Sénégal moom moom raam yi maanaam wagon yi waaye gaar yi tamit état du Sénégal moo ko moom état du Sénégal nag dafa ut société boo xamante ne dafa am expérience ay nit yoo xam ne dañ ci xarañ yàgg ci SNCF rek nañ gis ne moom amoon na expérience ci wàllu gestion li nga xam ne moom mooy Euh, train express régional kon kuy def investissement bu toll noonu bugg ko sàmm dama koy jox ki ko xam ak ki ko mën loolu bu weeso it ñu jàngaat ci wax yi ne SETER euh, boobu société d'exploitation boobu daal moom mel na nii mooy buum di buum buumi déedéet société d'exploitation bi moom ku ñu jël la rek ne ko dee ñu toppatool kaar yi euh, train yi ban waxtu la ñuy ñëw ban waxtu la ñuy dem naka lañ ko organiser kiy dawal yaa koy fay di ko xool ak tamit Euh, lu ci yàqu yaa koy defar kooku foofu la liggéeyam yem waaye kooku liggéeyam boobu dañ ko ciy fay weer bu dee waaye président de la république Macky dafa leen ne société boobu sax bu fiy ñëw état du Sénégal da ciy dugg dugal ci ay sénégalais ñu ne capital bi téeméer bi mu doon fanweer ak ñeent yi ay sénégalais ñoo koy moom ngir ñuy mën a saytu bu baax naka lay doxee état du Sénégal li mu bëgg mooy nit ñi di dem ak dikk ci jàmm ci njëkk yu yomb ci njëg yu jàppandi moo tax bu ñuy wax ci jamono ji yàlla. Face à la presse, les partisans de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré à Kaolak, ont affiché leur courroux suite à la déchéance de leur leader à l'Assemblée nationale. Selon ces militants, cette décision est injuste et Madame Mimi Touré est en train de payer les frais de sa position par rapport au troisième mandat du président Macky Sall. Ils ont par ailleurs rappelé que Madame Aminata Touré n'a pas démissionné de l'APR et ont donné rendez-vous à l'élection présidentielle de 2024. Écoutons à ce propos Elage Malik Ndao, coordonnateur de Mimi 2024, également au micro de Nous assistons sans cesse à la violation des textes constitutionnels et réglementaires de notre pays. La dernière qui nous interpelle est le forcing honteux de notre institution parlementaire en violant manifestement les articles 60 de la Constitution et l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour exclure un député du peuple. Nous interpellons le président de la République, gardien de la Constitution, comme aime bien le rappeler le doyen Ajma Soumbaï, a sifflé la fin de la récréation. Cher grand frère Macky Sall et président de la République, Madame Aminata Touré n'est pas votre ennemie, même si aujourd'hui le contexte fait d'elle de votre adversaire car elle a choisi l'opposition. Madame Aminata Touré mène un combat de principe. Jamais elle ne s'attaquerait à vous personnellement. Votre trajectoire doit vous édifier. Je n'en dirai pas plus. Les Sénégalais doivent aujourd'hui compter avec la naissance d'un mouvement Mimi 2024, mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance nous irons, Inch'Allah, demander aux Sénégalais de nous faire confiance et permettre au docteur Aminata Touré de conduire les destinées de notre pays afin que l'émergence devienne une réalité. Euh, le cabinet juridique de Mme Aminata Touré travaille sur ce, dossier et je pense que le combat ne sera pas mené uniquement au niveau du Sénégal, même à l'international ba tey ca diwaanu Kaolack njëgiñaale bu ancienne présidente du conseil économique social et environnemental di Aminata Touré ginnaaw bi Nekona député de l'Assemblée nationale ba daal dinañ ko fay jëlee ñoom nag jàpp nañu ne loolee jaar yoon Mimi Touré dañ ko daal jaay démissionné foofu APR coordinatrice bu jigéen ñi ci ay

17 membres du bureau amuñu prérogative situer un député élu par le peuple Nous gis ne acte boobu nag dafa fait un forfait gravissime ci la démocratie toll Sénégal Nous avons ñaawlu dégg naa évoqué un jurisprudence su Moustapha Sisselo et ak bu Mbaye Ndiaye ñu leen di xamal ne le président Macky Sall a fait un droit, droit jox leen 52 millions ne lii injustice boo président Ablaye Wade moko ko tek nous togaaté 10 ans ñu ñëwaat ñëw di waat même scénario même syndrome, borom di ko assemblée ñun xamatuñ fuñ jëm. ñu Nous ci nak ci jëf ju ñaaw yooyu ñu def assemblée ak wa coalition wallu ñu né dañuy fayu parce que madame Aminata Touré mo jappone Karim Wade mais lolu c'était une demande sociale c'était une forte demande de la population population bi ñoko demandé woon le président. Macky Sall dafa défendre ay ligne directrices madame Aminata Touré n'a fait qu'exécuter madame Aminata Touré était un soldat loyal du président de la République qui, partout nag mu porté combat yépp ba instant bi ñu tok diko fayé li lii nañ suñ mouvement te Inshallah allah rabbi dañuy dem élection 2024 fu jigen nek fu mag nek fu ndaw nek fu khalife général nek dinañ dem séti ko tatane batu askan bi pour ñu mëna tok fi inshallah remplacer le président de la République au soir euh, du mois de février 2024. Je vous l'annoncer en titre, lutte contre la rupture de médicaments dans la commune de Sinchumalem, le maire de la commune Abdou Samatsaro au chevet des postes de santé. En important l'eau de médicaments d'une valeur de 2 600 000 francs en CFA et partagé aux deux postes affiliés à la commune, un geste qui vient à son heure d'après les responsables. C'est un reportage signé Junior Ba. Des débuts de solutions commencent à être trouvés concernant le manque de médicaments dans la commune de Malem. En effet, le maire de la commune, Abdou Samad vient d'offrir aux deux postes de santé affiliés à la commune de Malem un important lot de médicaments d'une valeur de 2 600 000 francs. Un geste qui vient en son heure. Euh, Nous avons un cœur rempli. Très fier de ce geste du maire de la commune de Malem, présentement, les patients en ont beaucoup besoin, car il y avait bel et bien rupture de médicaments. Il y a beaucoup de villages qui polarisent le poste de santé de Sintumalem. D'autres aussi, appelés hors zone, viennent de très loin. Les agents de santé, très satisfaits de ce geste, remercient le maire de la commune. Toutefois, d'autres attentes sont énumérées. Nous remercions beaucoup le maire de la commune car il a prouvé qu'il est pour le développement. Nous lui demandons d'augmenter ses gestes au grand bénéfice des populations. Sur le plan personnel aussi, nous attendons de lui qu'il motive les agents bénévoles afin que chacun y voit son compte. ñu wax ci wàllum wergu yaram xeex ngir ñàkkum garab foofee ca commune bu Sinthiou Malem Jaxaaf bu commune boobee di wéy ci turu Abdou Samad Sakho moo ngi def ay jéego ca post de santé ya yóbbu na fa lu toll ci mbiru 2 euh, millions 600 mille ci ay médicaments jébal ko ñaari poste de santé ya nekk foofee ca Sinthiou Malem Junior Ba moo ngi si defal ab reportage. ci jafe-jafe bu poste de santé yu nekk ci commune bu Sinthiou Malem di dundu ci wàllu garab mu mel ni mi ngi bëgg am saafara Abdou Samad Sakho nekk maire bu commune bu Sinthiou Malem jagleel na ñaari poste yi lot de garab yu am solo tolloog ñaari million ak juróom benn téeméeri junni jëf bile ñëw na waxtoom. Euh, xanaa xol bu sedd mbégte lool parce que heure bi wax dëgg yàlla malade yi bëri nañu te manquement médicament amoon na kon indi na ko ci waxtoom taxaw ci lool sonn ci lool wax dëgg yàlla fond dotation bi indi ko fii mu nekk satisfaction boo xam ne. non seulement malade bi waye ki nga xamné mom moy joxe garab sax parce que y a de villages qui font plus de 70 km qui viennent ici. les hors zones ils sont pleins ici Si vous ci gan ñi ils viennent la sinon dans les rayons de 5 km, deuk yi ngi mais nag hors zone yi amna ñu xam ne ko ngi ba fu sori di ñëw di ñëw fekk ci fi agent de santé yi di jaajëfal bu baax maire bu commune bi waaye di ko fàttali mu gën leen a taxawu si yeneen i jafe-jafe. kontaan nañ ci. di ñaan rek aussi mu gën a bàyyi xel fii mu gën a yokkaat loxom comme ni mu koy defee rek bi mu toogee ba tey wax dëgg yàlla euh, ce que nous pouvons remarquer mooy mi ngi mi ngi mi ngi liggéey il est là pour le développement vraiment. ma euh, personnalité ñi nekkee liggéey ci post bi wax wax dëgg la bari nañu mais vraiment am na ñoo xam ne sax amaguñu petit motivation chaque jour dañuy ñëw xëy liggéey fii vraiment ba tey dañuy ñaan monsieur le maire mu bàyyi ci xel loolu jëm ah, renforcer leen tuuti tuuti pour ndax ñi nekk ci. poste yi ay sage-femme ay matron ak ay say velem mu kenn ku ne mën a gis ci boppam Et puis à Lougue, les associations de jeunes, les hip-hoppers, les sportifs, les lugatois, les habitants de Sanchaba et les membres de PASTEF ont fait face à la presse pour soutenir leur frère Mortal Gaidi Nitdoff, qui a toujours bien représenté Lougue à travers ses activités. Ainsi demande la libération immédiate et non négociable de leur frère Nitdoff, propos recueillis au micro de Gorombot. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour manifester notre soutien à notre fils, notre camarade et notre frère Nidov, qui nous a toujours bien représentés, qui a toujours bien représenté Louga, à travers ses clips, à travers LG Squat, à travers LV Diwan, il a toujours représenté Louga. Il n'a jamais voulu emprunter le, chemin le plus euh, facile, c'est-à-dire l'argent facile. Il a toujours défendu le peuple, il a toujours été du côté du peuple. Il nous a toujours bien représentés. Il a mis en avant l'éducation qu'il a reçue de ses parents et de son marabout. On n'a jamais vu une parler de manière insolente ou dans ses, dans ses clips faire quelque chose que l'on peut détester. Il nous a toujours bien représenté et bien représenté sa famille. Nous demandons à Macky Sall de libérer notre frère Nidov. Nous demandons à Macky Sall de libérer notre frère euh, Nidov parce que c'est quelqu'un qui lutte pour le bien de l'Afrique, pour le bien du, Sénégal. Ceci est une exigence. Ce n'est pas un point à négocier. D'autant plus que lui-même, il a demandé pardon. Normalement, ça devait se terminer là-bas. Là où il a demandé pardon, il l'a fait publiquement. Donc, Louga exige la libération de Nidov. Louga exige la libération de de son fils Nidov. Et ça, c'est un point qu'on ne négocie pas tant que l'on ne négocie pas. Voilà donc en grosso modo pour vous dire que nous soutenons notre frère. Donc tous les Lugas sont là pour demander la libération donc de, Nidov. Qu'on libère le fils de Louga, qu'on libère le fils du Sénégal, qu'on libère le fils de l'Afrique. Nous sommes fiers qui Free pour Nidov free pour Nidov libérez Nidov mbokk yi ca diwaanu Louga la ñuy wutali kuréel gi ëmb ndaw yi yëngu ci hip hop muy ay njegeñaale nit dof turam dëgg di Mor gay Gueye nga xam ni teg nañ ko loxo foofe ca diwaanu Louga mi nga xam ni itam bokk na ci parti yi di Pastef ñaka doon jàkkaarloo def nañ ay jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi ñu teewlu seeni kàddu dénk ko Gora Mbodj. duñu derrière parce que si nous ak derrière nous nous allons l'accompagner nous serons à côté de nous. c'est notre way Money. tay vous xamal nañu parce que bu même juum ñëwaat na te ku ku la fara qu'on libère le fils de Louga qu'on libère le fils du Sénégal, qu'on libère le fils de l'Afrique. Nous sommes fiers qui Free pour Nidov, free pour Nidov, libérez Nidov. Nidov sunu rak la kon bu fekkante dafa ne situation yi sunu warugar mooy ñu jóg dox ci wax ci man nag kuma xam-xam ne APR bok la laqatuuma man añ la bëccëg la soti waye je m'adresse directement à son excellent le président Macky Sall niko bu mu def làq doom dóor doom penda ba fii la taxaw saaga ñun wala fi yëpp président làq ko Aliou Dembourou Sow fii la taxaw nañ na pour président après Macky Sall am troisième mandat noonu génnee ay jaasi te dara fekk ko ci. ñu bëri ñoo xamante ne si amee Suzanne Camara taxaw ni nanu ren di deqet Ousmane Sonko te dara fekk ko ci parce que ay militant militant wu APR lañu. bi ki des ni dof bu fekkonte nit ku violent la. wala nit ku réew la wala nit ku bëgg la son show of the year su Sénégal à Moune, bus dans les 46 départements dans les 14 régions du Sénégal bu ko neexoon fi mu lay bouton ni taal leen bi mu tàkk waaye defu ko il n'est pas violent du nit nit du nit nit dof succès ko kuy Louga muy Santhiaba muy Santhiaba sud muy Santhiaba nord muy Altieri montagne ñun ñëpp ñoo ci si diko wax ni ñun say rak ñun say dom, ñun say mag ak say mbok ak say am di ñoo ngi sa ginnaw di la soutenir bu baax a baax te xex bi di ci do si wéet te duñ ci delu ginnaw ñu dof lañu gëm ñu dof lañu andal te li def ñun ànd nañ sa mom à 100 mort ah nan koy ñaanal firi ndax li tax ñukoy koy ñaanal firi da fay nit ko xamne ni day def social te kuy def social wata làqatu day Merci Goromboch. Et puis l'actualité hors de nos frontières, c'est avec Oumul Haïr Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Pakistan. Au moins 25 personnes ont été tuées et 120 autres blessées dans une explosion survenue lundi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. Ici en Ukraine, ce lundi, la présidence ukrainienne accuse le Comité international olympique d'être un promoteur de la guerre en Ukraine. La première salve a été tirée la semaine passée par le ministre ukrainien des Sports qui a menacé de boycotter les Jeux de Paris si les athlètes russes devaient y participer. Même sous bannière neutre, la seconde est venue du président ukrainien qui s'est emparé en son tour de la question en prestigeant vendredi l'idée de neutralité olympique. Pour Vladimir Zelensky, le drapeau neutre des athlètes russes est taché de sang des Ukrainiens. Pour ainsi terminer l'actualité au Congo, l'invité Afrique ce matin est le cardinal Frodolin Ambagou archevêque de Kinshasa, alors que le pays qui compte le plus grand nombre de catholiques d'Afrique s'apprête à recevoir le pape François ce mardi jusqu'à vendredi. Il s'agit de la troisième visite d'un pape dans le pays, après celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985. 38 ans après, les attentes sont immenses alors que le conflit s'envenit dans l'est du pays, au nord et au sud du Kivu et en Uturie, que les Congolais font face à un quotidien difficile. C'était tout pour cette actualité internationale. Merci. xibaari bitim réew yi dinañ ko dooree ci réewum Pakistan ginnaaw ab jàkka bu fa explosé ca quartier général bu police bu Peshawar li ni mel nag jur na fa ñaar fukk ak juróomi doomu aadama yu fa ñàkk seen bakkan waaye tamit téeméer ak ñaar fukk yu fa daal di am ay gaañu gaañu yu méttee metti li ni mel nag mu ngi am tey ci altine ji fanweeri fan ci weeru janvier. ci atum 2023. xibaari bitim réew yi dinañ ci toptal réew Ukraine tey ci altine ci présidence ukrainienne daal dina joxañ baram tuuma lii di comité international olympique ginnaaw sax mu koy ciiñ ni moom dafa daal di nekk ab promoteur bu guerre. li ni mel waral jëwriñ ji yor wàllum tàggat yaram foofee ci Ukraine di artu bu baax a baax li nga xam ne moo nekk comité international bu olympique di ko wax ne rek bës bu athlète russe yi bokkee ci bile jongante moom dina ko daal di ginnaaw jëwriñ ji nag njiitu réew Ukraine di Vladimir Zelensky di wax ne rek armée russe yi seen drapeau yi bu fekkee ne dañoo wax ne rek ne dara nekku ci moom mu ngi xam ne ne dafa takk deretu Ukraine yi xibaari bitim réew yi dinañ ko jeexale ak réewum Congo ginnaaw sax bi nga xamee ne moo nekk réew mi ëpp ay catholique ci continent bu Afrique ñoom nag ña ngay xaar wala sax di tertu ki nga xam ne moo nekk Pape François suba ci talaata ji ginnaaw mu nekk ñetteelu visite ab pape ca réew ma ginnaaw bi nga xamee ne ça. Pape Jean-Paul II moo ko fa amaloon ci atum 1980 daal di ciy atum 1985. lii lañ leen andiloon ci xibaar bi cim réew jërë ngeen. Merci Oumoul Khairi c'est Terminons cette édition avec la page sportive de Mbaye Papadji. A capitão, levanta! Levanta o troféu aqui no estádio Marcelo Leitão para a festa também das gambianas. Eles que estão L'équipe nationale féminine de football a remporté la Coupe du tournoi de la zone Ouest A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football en battant le Cap-Vert en finale. Un penalty à la cinquième minute transformé par le capitaine Korkafal bola, chega e Sur une faute de main dans la surface capverdienne a permis au de Moussa Sissé de s'adjuger ce trophée pour la deuxième fois. Les Lions de la Teranga signent ainsi un parcours sans faute dans ce tournant où elle a été victorieuse sur tous ses matchs. Pour rappel, cette coupe

zones yi musturaadu géographiquement. sunu gaynde yu jigéen ñi jëlaat ni ki démb tournoi bu ifowa ci kanamu Cap Vert mi dalaloon compétition boobee benn bal ci dara la jongante bi jeexee ginnaaw ben tir bu def défenseuru Cap Vert bi football bi ak loxo bi ci biir surface yi arbitre bi tire ko penalty capitaine bi di Korka Fall daal di koy teg dugal ko. va cair bola. Gorka baatu e bi ñu jongantee ci ñaareelu xaaj bi ba am juróom fukki simili noone la match bi jeexee ndaw ma Moussa Cissé lu ni mel nekk seen ñaareelu yoon ñuy jël bile raaya ginnaaw bi ñu ko jëlee ci première édition bi ci kaw Mali sunu gaynde yu jigéen ñi seen ndam li dina tax ñu ànd ak yaakaar gu mat sëkk ci li nekk ci seen kanam te moo di ne tour préliminaire ci qualification bu coupe du monde war ci jàkkaarloog ñii di waa Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles aux autres programmes de la TSTV. Bonsoir.